on a perdu des milliards ci gaz on a perdu des milliards ba pare nag depuis deux ans mi ngi taxaw fii tout le temps j'ai écrit un livre bu fekkee livre am jarul na dem feneen parce que fii du promotion fu ñuy defee livre du librairie mais depuis deux ans chaque année j'ai écrit un livre mais boo bindee loo xam ne baaxul kenn mënu koo lire li nga ciy wax du dëgg mais kenn du ko jënd mais vente lay am mais vraiment chaque jour bu ñëwee monsieur le ministre écrit un livre kan lay débattral yow il faudrait qu'on soit sérieux pour ramener ce qu'on fait ici c'est important on est en train de botter le budget du Sénégal on n'est pas là pour faire ay promotion livre et débattre pour akkan non quand même il faut arrêter depuis qu'il a commencé à faire de la politique est-ce que nit ne dégg débattre ak débat c'est ici qu'il vient pour dire qu'il veut débattre vraiment soyons sérieux et allons vers l'essentiel. Et j'invite mes collègues à ne pas quand même tomber dans le piège de certaines personnes. Parce qu'ils sont là pour nous distraire et nous, on est là pour travailler, pour voter le budget du Sénégal pour l'intérêt des populations sénégalaises. Monsieur le ministre, je sais que vous serez droit dans vos bottes et en tout cas, la représentation nationale sera à vos côtés pour vous accompagner.